forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique désormais de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 23 février 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la prorogation de six mois le mandat des conseils municipaux du Niger et la dissolution des conseils municipaux des communes rurales de Golé, Tasker et de la commune urbaine de Dakoro. Au plan médiatique, notons la rencontre entre la ministre de la Communication, le ministre de la Renaissance culturelle et les responsables des euh, promoteurs des organes de presse publics et privés pour une meilleure préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Au plan éducatif, euh, notons cette crise à l'université Abdou Moumouni de Niamey entre le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur ISNEX et l'union des étudiants nigériens à l'université Abdou de Niamey Lienoun euh, qui bénéficia du soutien de l'union des scolaires nigériens. La cinquième réunion de la taxe force présidentielle sur la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue mercredi 21 février à Accra, au Ghana. Et nous aborderons la conférence de haut niveau sur le Sahel qui se tient aujourd'hui même à Bruxelles, en Belgique. Avec nous en ce moment pour développer ce thème, Jafar Maman de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe. Murtala Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons des moment à l'autre euh, notre troisième invité, Ousseini Issa, qui est journaliste indépendant. Le Conseil des ministres du, vendredi 16 février dernier a examiné et adopté le projet de décret portant prorogation de six mois le mandat des conseils municipaux du Niger et de la dissolution des conseils municipaux des communes rurales de Golé, de Tasker et de la commune urbaine du Dakoro. Il est reproché à ces différents maires la violation de l'article 170 du code, du code général des collectivités territoriale, rendant impossible le fonctionnement de ces conseils. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de décret portant révocation de M. Mamman Isaka de ses fonctions de maire de la commune rurale de Garamgoussa. Avant de vous donner la parole, suivez d'abord la réaction de l'acteur de la société civile El Haji Idi Abdou. Pourquoi, à un moment, on nous fait croire que toutes les mairies sont sous inspection Si toutes les mairies sont sous inspection, tout le monde sait ce qui se passe dans les mairies. Il faut qu'on nous arrête de nous divertir. Il faut qu'on arrête de parler d'un fichier biométrique qui va prendre au moins deux ans. Non, il faut toiletter celui qui existe là et on procède directement aux élections locales. En fonction de la tête des gens, ils vont dissoudre, ils vont révoquer parce qu'il n'y a aucun maire qui a géré convenablement. Si on veut, on peut arrêter tous les maires. Si on envoie l'inspection, je ne pense pas qu'il y a un maire qui va échapper. Donc le problème n'est pas là. Il faut que le gouvernement essaye effectivement de ne pas donner cette impression que les inspections les envoient à la tête de client. Dans tous les cas, ça c'est pas la solution. La seule solution, c'est vraiment organiser les élections locales avec le fichier qui a servi aux élections présidentielles et législatives. Le fichier biométrique, c'est pour 2021. Waman de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, comment expliquer cette prorogation de mandat de six mois pour les conseils municipaux et une dissolution pour certains Oui, Mokhtar, moi, je pense qu'on euh, en a assez euh, dit sur, cette situation de maire. Euh, quand on sait que au moment où les partis politiques ont accepté de, constater euh, l'impossibilité d'organiser les élections locales, on savait que cette situation allait, euh, allait euh, venir où les, les, maires, euh, les, entités municipales euh, seront sous la tutelle du, ministère de l'Intérieur et sous la tutelle, si on peut le dire de façon générale, du gouvernement. Et on sait qu'ils sont des simples administrés euh, qu'on peut nommer à tout moment et révoquer à tout moment, peut-être euh, sans même motif euh, valable, sans argument valable. C'était une des conséquences. Peut-être qu'on peut reprocher à, tous les partis politiques, mais de manière générale au, camp gouvernemental, à la majorité gouvernementale qui aurait dû mettre, créer les conditions pour qu'il y ait des élections locales en bonne et due forme et qui peuvent éviter ce genre de situation. On a comme l'impression que euh, il y a deux poids, deux mesures, où rien que le fait d'en arriver là, à des simples euh, des décisions gouvernementales qui consistent à prolonger et à révoquer, euh, ça, ça, compromet le fonctionnement de, la démocratie au niveau de centralisé. C'est de cela qu'il s'agit, du moment où euh, le, tout le travail qui a été fait pendant la Ve République à l'installation de, des entités décentralisées de façon démocratique. Aujourd'hui, avec cette situation, on constate que euh, c'est un recul vraiment de la démocratie, puisque si au niveau décentralisé, les, les responsables administratifs euh, municipaux ne sont pas l'apanage des choix des, des, des citoyens, on s'attendait à une gestion au niveau central. Et toute la conséquence est là, ce qui fait que la révocation comme la prolongation euh, du, du, mandat euh, relève tout simplement de, de l'humeur, si on peut le dire, du ministère des tutelles et du gouvernement de façon générale. Ça, a mis le maire dans une situation délicate et ça compromet même la gestion puisque le maire ne sent plus redevable aux, aux, aux collectivités, aux citoyens du moins, à ses électeurs, mais à un pouvoir central qui euh, dont l'intérêt peut ne pas rimer avec celui des, des, des, citoyens de la localité. C'est vraiment regrettable qu'on en est arrivé là, mais il faut que y y a, dans cette situation, on peut toujours rattraper. Moi, je pense que les partis politiques doivent s'organiser pour euh, puisque réviser euh, ces, ces, ces, textes, réviser ces textes sur la décentralisation et, et, et en même temps euh, aller imposer une sorte d'élection, même si c'est des élections de façon régionale, euh, euh, suivant un, calendrier bien huilé, que à partir de telle, telle période, il y aura les élections euh, municipal dans telle région, puisqu'on on, a comme l'impression que le goulot d'étranglement, c'est les moyens. On prétexte les moyens pour ne pas organiser les, élections sur l'ensemble du territoire national. Moi, je pense qu'il y a toujours des possibilités pour le faire de façon décentralisée. Et ça peut résoudre le problème que le maire soit suspendu. Il écoute plus euh, le ministère euh, de tutelle que ceux qui l'ont élu. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, qu'est-ce qui explique cette nouvelle prorogation de six mois le mandat des conseils municipaux Écoutez, euh, les mandats des conseils municipaux avaient expiré depuis fort longtemps. Le gouvernement avait décidé de les prolonger. Or, selon les textes en vigueur en République du Niger, il n'y a que des prolongations de six mois qui sont possibles. Quand ces six mois arrivent à échéance, quelle, est la, position à adopter C'est soit de prendre des solutions pour organiser des nouvelles élections, ou bien faire euh, en sorte, en conseil ministre ministres, prendre un décret et les reconduire, bien que cela, afin qu'il n'y ait pas un vide. Mais quoi qu'il en soit, euh, cette cette euh, façon de faire a quand même euh, ses limites parce que euh, les, nouveaux, les nouveaux textes sur la décentralisation prévoient une limite à ces prolongations. On ne peut pas aller jusqu'à atteindre la durée d'un mandat. Donc quoi qu'il en soit, on est limité et ça fait déjà plusieurs prolongations. Donc il vaudrait mieux aller dans le sens d'organiser ces élections pour qu'il y ait des autorités qui soient sur la base du euh, fichier sur la base euh, du fichier, classique. le fichier classique qui a permis et qui a servi euh, aux élections présidentielles et législatives. Est-ce que c'est au niveau local que ça va poser des problèmes Je ne pense pas. Les acteurs politiques peuvent trouver un consensus pour aller aux élections locales sur la base de ce de ce fichier là. Là n'est pas le problème. Maintenant l'autre inquiétude, c'est l'argument qui consiste à invoquer l'indisponibilité des moyens financiers pour organiser ces scrutins. Je pense que ça, c'est quand même une argutie qui est assez facile très fragile de mon point de vue euh, à avancer pour justifier la mise entre parenthèses de, de, la démocratie au niveau décentralisé, qui est quand même des principes de la gouvernance euh, actée par les, textes fondamentaux de la République du Niger, mais aussi et surtout la mise à l'écart de l'expression de la volonté populaire, de la gestion de leurs affaires au plus proche d'eux, au plus proche de ces populations. Là, je dis, on ne peut pas mettre en avant le fait qu'on n'a pas assez de moyens pour vraiment vraiment euh, mettre de côté tous ces avantages et toutes ces exigences de l'exercice démocratique. J'informe nos auditeurs que notre troisième invité, Ousseinissa, vient de nous rejoindre dans ce studio. Ousseinissa, bonsoir. Bonsoir. Euh, que retenir dans cette affaire des conseils municipaux au Niger Bon, vous savez, euh, je vais abonder dans le même sens que Moukala, Ce qu'il vient de dire à l'instant, c'est que la décentralisation c'est quoi C'est ça d'abord la démocratie. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que c'est une administration de proximité où les citoyens peuvent interpeller les conseillers, ils peuvent interpeller le maire pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de poser comme... C'est comme ça que ça doit fonctionner. Pas tout au monde, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas se mettre dans une logique où la tendance qui s'observe actuellement, c'est que d'ici peut-être l'organisation des élections locales et, régionales, peut-être on va se retrouver dans une situation où ce sont des délégations spéciales qui vont gérer les, les communes, qui vont gérer, ce qui n'est pas normal. Parce qu'ils sont plus, en tout cas, c'est les mandataires des populations, ceux-là qui, que les populations ont élus, c'est eux. Parce que c'est à ce moment que les populations peuvent leur dire, nous ne sommes pas d'accord avec les politiques publiques que vous êtes en train de mener au niveau de notre localité. Nous ne sommes pas d'accord. Ils peuvent susciter le renvoi des maires, d'un élu ou ceci, cela mais on est en train d'assister à une situation où on dit que on ne peut pas organiser des élections, mais à chaque fois, euh, sur la base des inspections de, finances, des, inspections qui sont diligentées au niveau des communes, régulièrement, on assiste à, la dissolution des communes, on assiste à, l'interpellation des maires. Ça signifie quoi Où on fait la démocratie ou on fait autre chose. Et à la on a l'impression qu'on n'est plus dans cette logique de démocratie parce que la démocratie doit aller jusqu'à la base. Et la base, c'est la décentralisation. On ne peut pas reculer parce que c'est un recul. À mon sens, c'est à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est un recul grave. Il faut que les gens prennent conscience. Quand un ministre peut décider que telle euh, commune, le, le conseil de telle commune, le conseil de telle commune peut être dissous, il y a problème. C'est extrêmement grave. La ministre de la Communication et le ministre de la Renaissance culturelle ont rencontré samedi les responsables et promoteurs des organes de presse privés et publics. Une rencontre visant à les, à les associer euh, dans les efforts du gouvernement en faveur d'une meilleure préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, la cohésion sociale et l'unité nationale sont-elles menacées au point d'impliquer les responsables et promoteurs des organes de presse publics et privés Bien, euh, je crois qu'il y a quand même des menaces qui planent sur ces, ces, deux valeurs qui sont quand même essentielles pour notre pays et pour notre société. Euh, maintenant, l'implication des responsables des médias euh, tient du fait que euh, ils sont quand même ces médias qui sont les vecteurs, les premiers, et qui sont usités pour véhiculer certains messages qui peuvent apporter atteinte à l'unité nationale ou à la cohésion sociale. Donc de cela, de là que la ministre, le, ministère en charge de, des médias. Euh, euh, euh, oui, il rencontre les responsables des médias pour essayer de le, attirer leur attention sur les responsabilités qui sont les leurs quant au contenu qui va être diffusé sur les ondes des, différents, des différents médias. Je crois que ça, ce n'était même pas une rencontre d'un point de vue qui doit se tenir seulement maintenant. Et ça doit être une rencontre périodique qui doit être tenue selon un certain calendrier afin de d'éviter de, de, tomber dans certains travers. Les médias sont quand même un vecteur assez puissant. Et si les médias ne prennent pas toute la mesure de la responsabilité et de l'impact qu'ils ont sur la société, euh, il, y a un grand risque. Donc cette rencontre, voilà, ça a été peut-être suscité par euh, euh, quelques faits d'actualité, mais de mon point de vue, il est toujours important qu'il y ait ce genre de rencontre. Mais est-ce que cette rencontre n'est pas la conséquence de ce qui s'est passé avant-hier sur la semaine passée sur un, organe de, de bien évidemment, je viens de le dire, ça a été suscité par quelques faits d'actualité, c'est entre autres cette, actualité-là. Mais je crois que euh, aussi le, tempo est quelque peu biaisé. Quand vous rencontrez les responsables des médias pour attirer l'attention et leur sur la responsabilité qu'ils peuvent avoir, il faudrait que ce soit un processus beaucoup plus participatif et non pas euh, dans un sens où vous les, les regroupez pour leur dire attention, vous êtes en train de prendre le mauvais virus ou machin, machin, ce genre de menace. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça doit être un processus beaucoup plus euh, euh, participatif qui va les amener à prendre la mesure de la responsabilité qui est la leur dans, de, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans le pays. Et non pas le mettre dans une position de les menacer, c'est à la limite euh, les infantiliser. Hussein journaliste indépendant, les responsables et promoteurs des organes de presse peuvent-ils relever ce défi quel défi C'est quoi le défi la préservation de la, cohésion sociale et de l'unité nationale. Les médias travaillent sur quelle base Les médias travaillent sur quelle base Quand vous sortez le matin ici, c'est pour aller recueillir les avis d'autres personnes qui sont des acteurs impliqués dans la politique. Mais malheureusement, tout le problème, c'est à ce niveau que ça se pose. On va, euh, moi je suis journaliste, je vais sur le terrain, j'étends mon micro. Quelqu'un me dit, un politicien, il me raconte ce qu'il a envie de me raconter. Mais moi, je suis quand même quelqu'un, je peux décider de ne pas passer tel passage ou tel. Mais il y a votre responsabilité à ce niveau. D'accord, d'accord, je peux décider. Mais lui, la première responsabilité, il n'ont qu'à réunir les hommes politiques pour leur dire, les propos que vous tenez là, être journaliste, il faut arrêter Ce n'est pas les médias. La faute n'est pas les médias, c'est les hommes politiques. Mais c'est les médias qui diffusent. Hein. mais les médias sont obligés de diffuser. Les médias, c'est leur travail. Ils ont de diffuser des propos à caractère ethno-régionaliste. Mais quand le monsieur il est en face de moi, il raconte ce qu'il a envie de raconter. Est-ce que je peux me mettre à, savoir est-ce que ce passage-là, je vais l'enlever Est-ce que je peux faire le tri Mais c'est eux qui doivent d'abord, parce que ces propos ethno-régionalistes, tout ce dont on parle aujourd'hui là, ça n'existait pas auparavant. C'est arrivé avec le processus de démocratie, c'est avec la démocratie que toutes ces pratiques-là, ce dont on entend aujourd'hui sur les médias, c'est avec la démocratie. À l'époque, ça n'existait pas. Les gens ont exacerbé les, les, les, les, les comment dire, euh, comment dire, les relents ethno-régionalistes, euh, communautaristes. C'est avec la démocratie que c'est arrivé. Qu'ils se soignent d'abord, eux, en tant que classe politique, hommes politique, pour qu'on arrête. Parce que quand, moi, je ne vais pas aller inventer en tant que média. Je ne vais pas inventer sur quelqu'un pour dire voilà ce qu'il a tenu comme propos. Mais s'il me tient les propos et que par inadvertance, les propos-là m'échappent, pourquoi on va m'inquiéter On doit d'abord inquiéter l'homme politique qui a lancé ces propos-là. Parce que c'est lui le premier responsable. Il faut qu'on arrête de considérer que les médias sont responsables. Les médias ne sont nullement responsables de ce qui est en train de se passer dans ce pays c'est plus les hommes politiques qui sont à l'origine quand on les invite pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Eux, ils cherchent l'information. Quand ils cherchent l'information, vous écoutez tout le monde, tous les jours, quand vous suivez sur RFI. Donald Trump, quand il fait des conneries, les médias relaient ça. Pourquoi aujourd'hui on peut penser que c'est les médias qui doivent venir s'asseoir pour dire ah voilà, il a parlé, voilà ce que je dois mettre, voilà ce que je dois pas mettre. Yafar Maman de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, vous venez là d'écouter Hussein Issa. Euh, quelle est la responsabilité des acteurs politiques dans la dégradation de certaines valeurs au Niger, telles que la cohésion sociale et l'unité nationale ah, elle est totale. Hein euh, elle est au summum, hein, de cette responsabilité des acteurs politiques, puisqu'on a compris que c'est un des arguments euh, le plus privilégié lorsqu'on se retrouve dans une situation inconfortable du point de vue même de, de, de, son entité politique à part entière, c'est-à-dire de son parti, formation politique, on constate que même au sein des formations, on a une, une, certaine, euh, euh, si on peut me le permettre, le terme, une certaine race de, des acteurs politiques qui, l'exploitent. Malheureusement, euh, c'est un discours mal intentionné puisqu'il n'est pas tout à fait défendable mais c'est qu'il faut comprendre. Euh, Mais c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. C'est pour cela que j'ai trouvé la rencontre euh, du, de ces deux ministères avec les médias euh, un peu, comme Ossène l'a dit, un peu déplacé. Euh, le ministère de la Renaissance culturelle, qui a en charge la politique, une sorte de, de, de, stratégie pour changer le comportement des citoyens nigériens, l'adapter aux besoins du développement du pays, de tout ce qu'il y a comme valeur euh, pouvant euh, faire bouger l'économie du, pays, faire bouger la République. Mais elle ne doit pas s'arrêter euh, aux médias. La question des médias sur le Conseil supérieur de la communication, lorsqu'un média est venu dire, parler de la cohésion un média alors qu'il a la charte des journalistes professionnels, qu'il a le code d'éthique et de déontologie qu'il est censé respecter. C'est celui qui est le gardien de la régulation et de ces, de ces instruments-là, c'est le Conseil supérieur de la communication aussi. Il constate des dérapages, il alerte les médias sur la, euh, sa capacité. Comme l'a fait récemment le, le Justement, justement. Maintenant, le ministère de la Communication, comme le ministère de la Renaissance culturelle, ça doit être à un, à un élan plus ou moins national. national. C'est-à-dire, c'est rencontrer euh, toutes les entités, que ce soit politique, société civile et autres, pour parler de, ce, de, de cette cohésion nationale. Mais ce n'est pas aux médias, puisque ce n'est pas les médias qui l'ont commencé. Si on peut interpeller les médias sur le respect de l'éthique et de la déontologie de leur profession. Mais leur parler de l'unité nationale, mais à, quoi ça sert puisque l'unité nationale, dans le travail du, journaliste, est, est garantie par le, le, le, texte, l'éthique et la déontologie, par les instruments juridiques que nous avons. Donc moi je trouvais que c'est c'est apparemment il y a une précipitation où il y a, il y a euh, une confusion de rôle, une confusion de rôle, puisque c'est comme si bon euh, il y a un comportement des citoyens et qu'on trouve être facile à gérer, à reprocher aux médias. Je ne dis pas que les médias ne, euh, l'ont pas fait puisqu'ils sont censés imposer une censure. C'est leur instrument de travail juridique qui leur exige. Vous dit ça rapidement, rapidement. ce que je veux dire, ce qu'il ne faut pas, c'est la confusion de rôle comme il dit. Quand un média diffuse une information, fausse information ou autre, il est irrépréhensible. Mais quand c'est l'homme politique qui raconte et que on considère que c'est les médias qu'on indexe pour dire, les gens n'inventent pas. En tout cas, quand on fait le professionnalisme, on n'invente pas. On va, on tend le micro à quelqu'un, il va dire ce qu'il a dit. Maintenant, entre ce qu'il a dit, ce qu'il peut diffuser, ce qu'il ne peut pas diffuser, c'est à ce niveau qu'intervient la question d'éthique et de déontologie. Le Le syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur, le SINEX, section de Niamey, est en grève illimitée depuis samedi dernier pour exiger la dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre des étudiants à l'université Abdoumouni de Niamey, dont euh, certains membres auraient agressé un enseignant-chercheur euh, le 7 février dernier. Après Lyonoun, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a, dans une déclaration mardi, appelé les enseignants-chercheurs à s'inscrire dans la voie d'un dialogue franc et sincère. Al-Ghabid Idera, le secrétaire général du comité directeur de l'USN, au micro de Tannan Foudé Ahmed. Le SNEC se demande à son premier point de revendication la dissolution de la CASO. En réalité, les SNEX ne demandent pas la dissolution de la CASO, ils sont trompés de mots, ils demandent la suppression de la CASO. Et nous, étions euh, totalement surpris que des intellectuels censés être nos enseignants puissent se tromper d'une manière littérale dans une rédaction des mot de ce genre. En réalité, les SNEX ne veulent pas la dissolution de la CASO, ils sont trompés de mots. Ils veulent la suppression de la CASO, son inexistence carrément. En demandant la suppression de la CASO, ils reviennent s'attaquer à l'USN, ils reviennent s'attaquer à cette organisation qu'aujourd'hui, officiellement, j'envoie le SNEX ce qui le compose actuellement, certainement qui n'était pas du SNEX des années 80 et 90. Fouillés de l'histoire, ils vont savoir que l'existence du SNEX a été conditionnée par notre chère organisation qui est l'USN. L'USN a aidé les SNEX à exister. C'est notre chère organisation et pleine d'histoire qui avait permis au SNEX d'exister, au premier point. Ça, il faut qu'aujourd'hui les SNEX le sachent. L'USN est plus vieux que les SNEX l'USN avait amené la démocratie dans ces pays et permis aux SNEX de lancer un mort et avoir la liberté d'expression. S'attaquer à notre organisation, s'attaquer à la CASO, s'attaquer aux sections de l'USN, s'attaquer au comité directeur et s'attaquer à la souveraineté de notre organisation. Que contrairement à eux, nous, on n'a pas ici un plateau d'or. La reconnaissance de l'USN a été dictée à travers l'acte numéro 27 de la Conférence nationale souveraine. Ce n'est pas un cadeau. L'USN n'a pas négocié son existence. L'USN n'a pas négocié sa force, l'USN a arraché son existence, l'USN a arraché sa reconnaissance juridique. Et l'USN est toujours sur les mêmes pieds pour affirmer sa souveraineté et sa force vis-à-vis de n'importe quel prédateur qui veut aujourd'hui la genouer. Hussein Issa, journaliste indépendant, entre autres euh, exigences du SINEX, section de Niamey. Vous venez là euh, d'écouter euh, le secrétaire général du comité directeur de l'USN. C'est la dissolution de la CASO. Ont-ils ce droit mais moi, je pense que il y a eu une altercation qui a poussé à, à, ce problème, une altercation, et puis je me dis, euh, quand on vit ensemble dans un cadre donné, c'est qu'il y a toujours des altercations qui peuvent intervenir. Il faut que les gens puissent se comprendre. Moi, je pense, moi, je fais partie de la génération 80 de l'université, euh, la décennie 80 je pense que il faut que les conditions soient créées pour que la sérénité revienne au niveau de l'université de Niamey. Il n'y a pas d'enseignants-chercheurs sans étudiants, comme il n'y a pas d'étudiants sans enseignants-chercheurs. Je ne vois pas pourquoi il faut faire la fixation et pousser à l'extrême, demander jusqu'à la dissolution d'une structure mais de l'autre côté aussi, au niveau des étudiants, c'est qu'ils doivent mettre un peu d'eau dans leur euh, vin pour ne pas aller aux extrémités, c'est-à-dire la brutalisation gratuite sans chercher à comprendre, parce que dans le dialogue, on peut découvrir. Mais quand il n'y a pas le dialogue, c'est que ça va dégénérer et c'est à ça qu'on a assisté et c'est ça qui a fait, comment dire, la rupture entre les deux camps, entre les étudiants, les enseignants, chercheurs et les étudiants les enseignants-chercheurs qui demandent à ce que la, la CASO soit euh, dissoute, et les étudiants qui considèrent que la CASO ne peut pas être dissoute parce que c'est eux qui ont fait le combat et tout et tout. effectivement, moi je pense que euh, ça ne sert à rien du tout de tirer sur la coque parce que ça va se rompre. Et si ça se rompt, c'est d'abord, <laughs> comment on veut dire, euh, les voilà, l'enseignement supérieur prend un coup, mais les étudiants surtout qui sont là, qui, qui, qui, sont en train d'étudier, parce, parce que, s'il n'y a pas de cours, ça veut dire qu'il n'y a pas de validation de l'année. Il faut éviter cette situation-là et je pense que... Selon vous, il faut prendre le dialogue. Il faut prendre le dialogue. les deux parties c'est trop pour discuter. Jafar un euh, du journal euh, L'Indépendant Plus, chemine t on vers une euh, année blanche à l'université Mou de Niamey Je pense que je ne vois pas ça en ces termes, puisqu'ils ont intérêt. Euh, là, ce n'est plus le, le, SNEX et le gouvernement, ou l'INUN, ou l'USN et, le gouvernement c'est plutôt deux, deux, structures. Enseignants, enseignants Voilà, qui, qui se euh, qui sont indifférents et j'estime que ça va c'est pas pour longtemps mais c'est que euh, je constate que pour avoir été membre de cette structure de Lyon et membre de la CASU d'un coup une grève illimitée c'est pas trop non euh, c'est là où j'ai dit que j'ai comme l'impression que ils jouent sur, sur responsabilité le SENEX comme le, euh, la structure euh, syndicale des étudiants et même des scolaires. Puisque en déplaçant les débats, les le, SENEX qui demande de supprimer une structure, euh, un compartiment d'une structure, et l'USN maintenant qui mène un terrain un duel autrement. Mais j'ai cru comprendre que le, certains du, SENEX d'aujourd'hui étaient du, de l'ISN. Et c'est eux qui ont porté le combat que dans lui, l'actuel SG de l'ISN, euh, se réclame. Donc c'est vraiment une famille et ils ont intérêt, tant académique que syndical, de s'entendre. Puisque la question ici, ce n'est pas aller. Il y a des comportements qu'on est censé dépasser dans les structures syndicales, même du point de vue à, à je pense, c'est cette, euh, euh de, se donner euh, plus d'espace plus d'autorité que l'autre composante que, que, que, le Senex qui doit cesser. Parce que j'ai cru comprendre euh, que le différent est venu d'une simple, euh, d'un simple euh, malentendu. malentendu qui n'aurait pas, qui n'a aucune importance dans, la société. Et lorsque, pour le besoin du dialogue, c'est dans le, dans, au niveau de cette structure, au niveau de la composante euh, de l'enseignement supérieur, la relève de demain, l'intelligence, comme on dit, est, est, manque de dialogue, mais ça, c'est un problème, ça pose problème. Ça, pose problème pour la, la société. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, comment faire pour ramener la sérénité à l'université Abdoumouni de Niamey Mais c'est très simple, mon point de vue. Parce que dans tout ça, là, je crois que euh, on est, euh, les deux parties sont en train de faire de la surenchère. Et quand on fait de la surenchère pour résoudre le problème, il suffit que cette surenchère disparaisse. On verra que le problème euh, ne valait pas la peine. cette fameuse altercation, en fait, je ne sais pas pourquoi, vraiment, on a cette malchance chez nous, ou cette mauvaise façon de faire, de vouloir euh, euh, euh emporter et amener les choses à un niveau, à un degré euh, où elles n'ont pas atteint. c'est une altercation entre un, enseignant, banal parce que les étudiants qui ont posé l'acte affirme ne pas savoir connaître l'identité de la personne. Tout simplement, pour eux, c'est un automobiliste qu'ils ont arrêté à une heure où les bus des étudiants devaient sortir de la place du campus pour emprunter la voie, comme ils arrêtent tous les autres automobilistes. Donc, euh, puisque vous connaissez pas. Fallait décliner peut-être votre identité, le problème aurait été résolu. Bon, euh, ça n'a pas été le cas. Maintenant, euh, le, le SNEX a demandé des, excuses de la part de l'USN. C'est que le l'UN a fait, une section de l'USN, et c'est que l'USN également était prête à faire pour une rencontre euh, que, qui a été annulée au dernier moment par le, SNEX. Donc, voyez-vous, il y a quelque part cette, ce gonflement d'ego qui fait en sorte qu'on refuse peut-être de, de, de et en outre, une demande, et sur cette demande, la, la fameuse demande sur la dissolution ou je sais pas, la, <laughs> suppression de la CASO, la dissolution, le, le a parlé de la dissolution, euh, je vois, c'est un problème sérieux. Il faut s'interroger si aujourd'hui la CASO disparaît de l'espace universitaire, c'est un problème. Oh. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place tout pour les jeunes filles euh, qui vivent au campus. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place La CASO, c'est vrai. Il y a là ces abus, ces, ces, petits dépassements. Il y a là ces problèmes, certes. Euh, aucune organisation n'est parfaite. Mais de là à demander à ce qu'elle disparaisse, si elle disparaît, elle, a, tout son rôle pour qui connaît les, campus. Donc c'est un faux débat. Demandez maintenant peut-être à ce qu'il y ait des forces de l'ordre. Écoutez, soyez sérieux. Même à l'occasion des cérémonies de mariage, quand ces deux groupes se rencontrent, il y a de l'électricité dans l'air. De là leur demander de cohabiter de façon permanente et je crois qu'il y a un sérieux problème qui se pose. Accra, la capitale ghanéenne, a accueilli mercredi 21 février dernier la cinquième réunion de la taxe force présidentielle sur la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Niger. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État et experts ont examiné la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la CDAO et adopté une nouvelle feuille de route en vue d'accélérer le processus de la création à l'horizon 2020. Jafar L'Indépendant Plus, la CDAO est-elle sur la bonne voie dans le processus de la création de cette monnaie unique oui, euh, pour l'instant, hein, on peut dire que euh, la CDAO est sur la bonne voie, mais moi je vois plus au-delà. Il y a un problème de fond. Parce que est-ce que comment euh, mettre en place toutes les économies de l'espace CDAO pour aller vers une monnaie unique le second problème, c'est son arrimage, puisque je vois une certaine, euh, une certaine aisance à, à croire à la monnaie unique et à, à croire à la fin ou à la mort de CFA. Mais on oublie que ce n'est pas le, le terme qu'il faut, euh, c'est pas le jeu de termes qui nous intéresse, c'est euh, les liens ici, c'est les, c'est pas le symboles, c'est le contenu. Aujourd'hui, euh, cette monnaie-là, elle sera comment face au franc français, face à l'euro, face, au, dollar. C'est ça le plus important pour nous. Il y a deux situations, moi, qui m'intéressent. C'est d'abord une monnaie unique de l'espace. Il y a des experts qui sont en train de travailler là-dessus. Et son arrimage avec euh, les autres monnaies. Les autres monnaies comme l'euro, comme le dollar. D'ailleurs, le dollar, ça ne cause même pas de problème. Notre problème, c'est avec l'euro. Et c'est toute la difficulté. Est-ce que le schéma traditionnel du CFA avec le franc, l'euro et, le franc, de, français, euh, est-ce qu'il y aura une révolution Est-ce qu'il y aura un, nouveau rapport de point de vue finan, change C'est ça qui nous intéresse, le taux d'échange et, et la valeur bancaire. C'est ça qui nous intéresse. Sinon, si c'est faire se retrouver en monnaie unique, et l'arrimer à la même situation que, que vit le CFA avec euh, l'euro et le franc français, moi je pense qu'on n'a pas évolué. Voilà la question. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, euh, quels sont les enjeux liés à la création de cette monnaie unique alors, les principaux enjeux sont d'abord politiques. Euh, ils sont politiques dans le sens dont vient d'évoquer Jafar. Euh, et là, c'est je crois que euh, c'est sur la question sur laquelle on fait une fixation, ou carrément, ou l'opinion fait carrément une fixette. Mais au-delà, il faut voir quand même la divergence des économies qui composent l'espace euh, CDAO. Ce sont quand même des économies qui sont assez disparates, les unes plus faibles, les autres moins structurées, etc. Et c'est un défi que de mettre en place une monnaie unique avec des, de telles divergences. Il faudrait euh, aller dans le sens d'une plus d'une euh, harmonisation ou d'un rapprochement, que le bloc soit un peu plus compact pour qu'on arrive à cette monnaie. D'où l'objet de toutes ces rencontres pour évoluer avec les critères de convergence, etc. Mais malheureusement, on a, on maintient encore la date butoir de 2020, mais euh, je crois que la task force a encore une fois de plus relevé que les États, les différentes économies, ne font pas assez d'efforts pour évoluer dans le sens, le sens de la satisfaction de ces critères de convergence. Le, déficit budgétaire, hein, il continue à, se creuser dans beaucoup de pays. Or, quand vous avez des, économies qui sont très peu structurées comme les nôtres et que vous avez un déficit budgétaire euh, très important, euh, il y a un problème, le problème va se poser dès que, que cette monnaie unique va se mettre en place et certaines zones vont forcément tirer avantage pendant que d'autres vont se retrouver à la traîne. Vous êtes inquiet je suis inquiet parce que je, je, je, vois quand même des, euh, questions qui sont euh, objectives, dont tout le monde est d'accord, sur lesquelles tous les experts euh, conviennent, mais qu'on veut, coûte que coûte euh, passer sous silence et pouvoir aller coûte que coûte à cette euh, volonté politique, à cette satisfaction de ce, désir de disposer d'une monnaie qui soit propre et qui soit pas celle de, de, de l'expuissance colonisatrice. journaliste indépendant, faut-il croire à ce projet de monnaie unique rapidement Oui, mais pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je pense que d'abord, c'est une question d'indépendance, d'autonomie. Parce qu'on est arrivé au franc français, on était arrivé au franc français, c'est passé à, à, à, avait dit, à l'euro. Il y a une question de convertibilité qui va se poser inévitablement. <laughs> Le Niger a évolué avec Nera. Pendant combien de temps Est-ce que le Niger est un pays, euh, comment avait dire, le Ghana avec leur CDI, Ça a fonctionné c'est une question d'entente, c'est une question d'harmonisation, comme vient de dire Moutla. Il faut simplement que les gens se mettent en harmonie pour voir dans quelle mesure. Parce qu'à ce moment, on peut traiter d'égal à égal avec les pays occidentaux qui viennent prendre nos ressources. À vil prix. À vil prix et qui vont aller, nous, quand nous allons chez eux acheter, ça devient beaucoup plus machin, plus cher. C'est en cela que c'est important parce qu'à ce moment, on peut imposer la, le, le Naira, ça, a une convertibilité en dollars, comme en euros. C'est comme les autres monnaies, comme la, monnaie indienne, comme euh, le roupie. Comme moi, j'ai dit, il faut couper le cordon ombilical. Autre rencontre, c'est cette euh, conférence de haut niveau sur le Sahel qui se tient aujourd'hui même à Bruxelles, en Belgique. Les donateurs avancent plus de 400 millions d'euros pour financer le G5 Sahel pour le soutien du financement de la sécurité au Sahel. Euh, Murtala euh, Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, est-il normal que l'extérieur finance notre propre sécurité Bon, l'idéal voudrait que nous finançons notre propre sécurité. Ça, il n'y a pas de problème dessus Mais quand même, l'idéal, comme son nom l'indique, c'est quelque chose derrière lequel on court. Euh, et dans beaucoup de situations, on n'arrive même pas à l'atteindre. Euh, maintenant, il y a quand même des efforts qui sont faits au niveau des différents États concernés. Euh, mais moi, je dis attention à ces financements qui viennent et qui vont dans le secteur de, que de l'adolescence de la militarisation, parce que euh, s'il y a des terreaux, des conditions qui sont propices à, à l'explosion et, à la naissance de mouvements terroristes et autres mouvements euh, armés. C'est la pauvreté, le sous-développement, l'absence carrément euh, d'alternatives, de possibilités pour les jeunes. Donc c'est c'est ça notre véritable combat. Donc le combat de développement. La sécurité, oui, mais vous avez beau combattre les groupes armés. Si les jeunes vont continuer à être désœuvrés. Si les jeunes vont continuer à ne pas avoir, d'alternatives, ils répondront aux prochains appels des sirènes. Dieu seul sait d'où ça viendra. Ousénissa, journaliste indépendant, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle rencontre internationale pour le soutien euh, du financement de la sécurité au Sahel oui, mais il y en a combien Il y en a eu combien rencontres là Il y en a eu combien Depuis que G5 Sahel a été mis en place là, il y en a eu combien de rencontres Ça a donné quoi ça donnait quoi À chaque fois, les gens vont se rencontrer, c'est des effets d'annonce. Les gens annoncent. Non, c'est des effets d'annonce. Ça donne quoi comme résultat Ça donne quoi Jésus Sal, on a besoin. Nos pays étaient sécurisés avant, auparavant. ces dernières années, et où vous pensez que les Occidentaux, là, eux-mêmes sont confrontés à ces problèmes de, terrorisme. de terrorisme, de djihadisme et tout et tout. Ils n'ont pas de solution à ça. En tout cas, ils n'ont pas de solution, euh, comme avait dit, miracle à ça. C'est que chacun doit d'abord commencer par protéger, créer les conditions pour que son territoire soit, soit sécurisé. C'est que on assiste dans nos pays à une démission. On attend que d'autres viennent nous aider alors que nous pouvons nous-mêmes créer les conditions à l'époque, ne serait-ce qu'à travers l'information et autres, on peut créer les conditions pour que ah, ça s'est passé sous le régime contier Ou quand quelqu'un rentre, où on n'a pas confiance en lui, dès qu'il rentre, il franchit le territoire. Les agents de renseignement donnent l'information est arrivée à un niveau où le monsieur, on va l'interpeller à un niveau donné. Il y en a ça aujourd'hui. C'est ça le problème. Jafar Mamana du journal L'Indépendant Plus, quels sont les enjeux et les défis qui attendent la force G5 euh, au Sahel euh, sur le terrain Oui, c'est relevé le premier et c'est ça qui fait qu'il y a, l'implication de l'Occident. Ils ne sont pas là pour, financer votre sécurité en tant que telle, mais pour épargner l'air militaire euh, du danger. dans lequel ils se trouvent chez vous. Euh, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la question du financement de l'armée. Euh, euh, c'est une question de souveraineté et c'est au pays qu'il revient de financer. L'autre aspect, c'est la question de, Murtala l'a dit, de développement. Il faut qu'il y ait un secteur privé qui puisse eh, être favorable à l'emploi des jeunes pour prévenir le terrorisme tel qu'il se présente actuellement. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous étions avec euh, Jafar Mamana de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, Ousseini Issa, journaliste indépendant, avec nous également euh, Murtala Mahamadou de l'hebdomadaire L'Agrifa. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 euh, avec Maman Ada pour le forum à Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma qui nous parleront du bilan de la campagne agro-silvo-pastorale 2017. Merci, au revoir.